agence de régulation des marchés. Voilà, nous avons tenu aujourd'hui une rencontre avec l'ensemble des filières euh, qui constituent les, spéculations sous régulation de l'ARM, notamment l'oignon, la pomme de terre et la, carotte. Il s'agissait aujourd'hui de, faire le point du dispositif qui a été mis en place euh, pour l'approvisionnement du marché durant le, magal de Touba. Euh, à rappeler que le magal une période de forte consommation et nous avions la nécessité euh, d'assurer euh, un bon approvisionnement du marché pour que les Sénégalais puissent disposer des produits euh, à un coût accessible. Et cela a, nécessité le positionnement d'un stock de régulation importé pour l'oignon en vue d'accompagner la production locale mais il s'agissait aussi de continuer l'approvisionnement du marché après le Magal à travers le, stock local restant, la production locale, et euh, continuer à améliorer justement euh, l'instruction des autorités de pouvoir approvisionner le marché à, travers la, production locale. Donc, euh, le point qui a été fait aujourd'hui a eu vraiment l'avantage de, de, nous rendre satisfaits par rapport au dispositif qui a été mis en place. Ça, c'est pour l'oignon. Pour la carotte aussi, le même dispositif a été reconduit. Il s'agissait aussi de voir en perspective de du, du, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut en tout cas prendre comme élément d'information, mais aussi quels sont les mécanismes qu'il va falloir mettre en place en vue de, pouvoir assurer un bon approvisionnement du, marché. Faire le point aussi sur la, pomme de terre qui est détenue présentement à 100% par euh, l'entreprise Sénéguindia, par sa branche agricole Swami Agri, donc qui a eu à assurer l'approvisionnement du, du, marché durant le Magal de Touba de faire le point sur le niveau des stocks actuels et en perspective du, du, aussi, de voir est-ce que le stock actuel est à même de pouvoir assurer l'approvisionnement correct du, marché. Et l'ensemble de ces points-là ont eu euh, euh, à être passés en, sont passés, ont été passés en, revue et nous avons retenu finalement in fine que euh, pour l'oignon, la, il s'agira de poursuivre euh, l'approvisionnement du marché à travers la production locale. Donc tous les acteurs, surtout les commerçants, sont engagés à approvisionner le marché à travers la production locale, notamment euh, au niveau des petits producteurs dans la zone de Ngomen, où il y a encore du stock restant, au niveau de la zone de Potou, où il y a encore du stock restant, mais aussi au niveau des agrobusiness, à savoir Biranboy ou, Swami Agri, euh, qui ont quand même à leur bord euh, dans leur chambre froide un stock assez, assez, assez important. Beaucoup de questions ont été soulevées, notamment les questions de qualité, les questions de logistique, les questions de confiance, mais nous avons euh, vraiment exhorté les uns et les autres à renforcer la dynamique de, communication, la dynamique de collaboration et euh, de veiller à ce que le marché ne soit pas en rupture, soit une rupture fictive en termes de stock, ou sinon aussi veiller à maîtriser les, prix, parce que ces deux éléments-là sont des éléments assez fondamentaux pour, euh, dans, la stratégie de régulation. Disponibilité, distribution, mais aussi euh, accessibilité du produit au niveau des consommateurs à un coût vraiment satisfaisant ce stade ce tous ces éléments c'est rassurant par rapport à la disponibilité euh, des stocks, par rapport à la forte demande à Effectivement, à ce stade, euh, nous quand même sommes sortis de cette réunion euh, satisfaits parce qu'il euh, il y a eu un certain nombre d'indicateurs qui ont été renseignés. D'abord sur la disponibilité des stocks. Nous savons exactement à peu près, avec une marge d'erreur assez minime, euh, ce qui reste sur le territoire national en termes de stock. Nous savons un peu la structure des prix qui est appliquée. Maintenant, il s'agira aussi de renforcer le dispositif euh, logistique pour assurer une bonne distribution. Ça aussi, c'est une autre paire de manches, mais je pense que si l'ensemble des acteurs euh, s'impliquent, nous arriverons à assurer l'approvisionnement du marché sur le territoire national de façon correcte. il s'agira aussi de voir, en termes de mécanismes, des mécanismes supplémentaires, au cas où le dispositif interne arriverait à à connaître des défaillances, euh, quelles seraient aujourd'hui euh, les autres alternatives qui s'offrent à l'agence de régulation des marchés afin de jouer euh, pleinement son rôle Son rôle, c'est d'assurer un bon approvisionnement du marché, comme l'association des consommateurs est ici présent aussi, de veiller à ce que de la qualité soit disponible sur, le, sur le marché en quantité, mais aussi à un prix accessible. ci bilan le euh, dispositif Magal de Touba bi nga défendu nañ pour assurer approvisionnement du du marché ñep xam nañ ni Magal de Touba day jël lu bare bare euh, bare ci soble day jël ci pomme de terre day jël ci carotte euh, dans lu ñu xayma pour euh, magal gi 15000 tonnes sax lañ soxla won supplémentaire euh boko yoké ci li nga xamante soxla nañ ko par wèr pour mëna dundal sénégalais lolu nak nag bañ ko jëlé xayma ko euh, dafa lajone ñu jël des mécanismes supplémentaires de régulation moy andi fi ben stock de régulation pour mu accompagner production locale bi loolu bañ ko défé gis nañ ni am vraiment impact bu positif ci marché bi moy produit bi disponible na amna une bonne cohabitation entre euh, la production locale ak importé bi mais ñeug ñi tamit wàññeeku na ñu rappeler que daw heure bi problème disponibilité amoon na problème prix la amoon euh, té ren ñaar yoy yep assurer nañ ko maintenant dañ ne buñ bu ci euh, magal gi dañuy continuer di dundal sénégalais à travers la production locale nga xamante ne moo fi nekk ñu def le point gis ni soble si des na ñu engager tous les acteurs surtout les commerçants ñu mëna a jënd loolee def ko mettre ko ci ci ci marché yi pour que population bi mën ko mën ko jëfandikoo maintenant mu am yeneen question yoo xamante ne ni euh, jóg na mooy question qualité question euh, rapport de confiance euh, question logistique pour que lii ñuy jëm mooy gàmmu gi ñu mën a assurer parce que gàmmu gi pratiquement dina jël lu baré, baré, bare à la différence du du màggal gàmmu gi fépp lañ koy fete ci ci ci Sénégal loolu dafay adresser des questions de logistique pour que produit produits soient fait, am y mais euh, vraiment une surveillance rapprochée euh, des marchés pour voir ce qui est mis mise en œuvre bi faut am fenn fu muy sooxee ARM ban mécanisme de régulation lay déclenché pour corriger corriger dysfonctionnement il y a une am préoccupation essentielle pour l'association des consommateurs daf ko évoqué la question de la qualité parce que sénégalais aussi dañu le droit d'avoir le produit mais ils ont aussi le droit d'avoir un produit de qualité c'est des questions que nous avons suñu agent enquêteurs vérifier ci marché pour que, quelque part y a des problèmes de qualité Nous allons pour euh, en tout cas corriger on a mis en relation des pour que sénégalais puissent approvisionner mais aussi d'autres produits de qualité waaw le risque moom am na fi euh, mais c'est un risque maîtrisé pour le ñu ne risque maîtrisé parce que paramètres yi nga xamante ne ni moom la ñu mettre en œuvre pour ñu avancer paramètres yooyu yëpp dañ ko dañ ko euh, point yooyu yëpp dañ ko dañ ko dañ koo teg ci table gi moo tax euh, accompagnement bi ci war ñu ngi koy def mais accompagnement boobu dafa war non seulement ci ci ci ci producteurs locaux yi mu war ko ñu war ko def ci ci commerçant yi waaye ñi nga xamante ne ni mooy consommateurs yi tam ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo sekk kuréel yi dañu war a xool nan la ñuy def pour que ensemble acteur bi ci nekk mu bañ ko bañ cee gaañu parce que euh, commerçant yi nga gis ni ñoom itam dañuy jël ay risques pour jàppale ARM pour que nous puissions assurer approvisionnement marché risques que nous koy jël en collaboration avec ces partenaires la nécessité de sauvegarder les relations commerciales entre nos nos nos commerçants et le fournisseurs donne un point extrêmement important parce que si le marché est perturbé les commerçants et les gens ñu viennent du Maroc pour nous dire approvisionner nous nan pour que nous puissions approvisionner marché parce qu'au niveau mondial il y a un problème de disponibilité de de l'oignon c'est vrai que am a mais dafa am aussi des questions euh, euh, pertinentes yoo xam ne évoqué nañ ko te yooyu itam dinañ ko bàyyi xel moo tax marché bi dinañ ko surveiller de façon rapprochée pour xool euh, bu fekkee dina am dysfonctionnement vraiment ñu am des mécanismes supplémentaires de de régulation pour mën corriger dysfonctionnement yëpp mais mun naa rassurer que disposition yëpp jël nañ ko pour que lii nga xamante ne nii mooy njëm suñu kanam mooy gàmm gi vraiment approvisionnement du marché bu mu sooxee